entretien bu xamné ne ñëpp dinañ ci jëlé dara. et puis mhm. ñëpp dinañu voilà le sujet bu ñu mënta aborder tamit dal ñu jëm ko aborder. avec le mhm. plus grand professionnalisme. d'accord euh, justement si si si mercato bobu amna ci kenn ci ces joueurs ko xamante ni il s'appelle Habib Diallo gis nañu suñuy internet dañuy intéressé wu trop ci mom mhm. mu nekk attaquant sénégalais di def ay performances yu baax fan yi néew ñu dégg né amna ay club yu ko soxla pour recruter ko bu ci gëna de euh, Tottenham. Mhm. du club anglais donc mu mu que lo xamné en tout cas excité na euh, les internautes en tout cas. Oui, parce que je xam Habib, Habib euh, logiquement c'est sa dernière année bi passée. Mhm. donc c'était déjà acté déjà mois de janvier comme le mu leen mais dernier jour me suis même en l'ombre, parce que ils ont tenu de bëggoon. Mhm. parce que Tottenham le joueur kin dafa blessé et puis, il fallait un attaquant dans l'urgence. Mourinho, bon, il a passé Bib, parce qu'il a mhm. un profil. Malheureusement, au moment où ils étaient prêts à mettre le prix, mhm. le prix était très intéressant. Et le président du match était prêt à accepter. Mhm. Sauf que lui aussi, il a fait une position il a joué pour Banyada Wache, il sa arme offensive. Il avait des comptes après à rendre à son club, à ses supporters et à son comité directeur. Donc, euh, c'est un peu délicat pour mettre Baye Habib Diallo moment où nga xam ne yaa ngi lutter pour bañ a mhm, mhm. surtout quand tu sais que yaa ngi woon sa première année de remontée mhm. donc le président a dit bëgg naa ko jaay su waa Tottenham nangu mën nañ trouver transaction ma jaay ko ko léegi mais daf ma koy bàyyi six mois yi ma terminer saison bi assuré ko bu dem donc bon ce que Tottenham moo ñoom ñu ko c'était effectivement dans l'urgence donc l'autre affaire bi cool. ba léegi donc euh, gis naa ne gars yaa ngi waxaat parce que xëy na kii man man ba léegi waxuma de. Mhm. waaw xam naa ne gars teg nañ ko bët. Mhm. mais affaire bu mercato moom kenn xamu ko. tant que mhm. parce que championnat anglais tant que jeexul. li ci des yëpp ay rumeur la. pour le moment xam naa ne daal bokk na ci seen joueurs yoo xam ne ñu ngi seen short list mais après. Euh, les choses. je suis qu'actuellement mon mi Sen. si seen. Euh, mi ngi après mhm. euh, c'est le... Mais quand le mercato décidé quoi. Mhm. mais effectivement bon donc y' a pas que y' a pas que. Tottenham seulement Tottenham y' a des beaucoup de clubs allemands aussi ils ont lay donc ngi xaar. Mhm. donc y' a des clubs russes mais aussi qu'après après y' a beaucoup Il y' a beaucoup Italie. mais bon on a on va voir et puis on fera le meilleur choix parce que fait que tu phase ascendante. loolu mhm. nous koy sóoraale tamit quoi. xam mhm. Habib c'est un garçon qui a explosé. un peu mhm. dans le tard. mais il dafa jël euh, il est monté à son rythme. il a pris les escaliers. voilà donc nank la def. donc voilà et puis euh, on sent qu'il dégage aujourd'hui une maturité. qu'il qui dégage dans son jeu dans son attitude dans terrain il a plus. C'est le gën a wóolu donc moment bi pour moi, c'est le grand moment en plus euh, pour me franchir palier bon.